du maire Barthélémy Jazz. on vous a vu tout à l'heure mi le borom kees alors tey ñu ngi au sortir du procès euh, qu'est-ce que vous avez à dire aux Sénégalais. Euh, tey bésu naxar la euh, comme Yenen naxar yi ñu am yi Sénégalais yi di depuis 2012 le président Macky Sall bésu Gatché, la comme ni ñu amee yeneen gàcce askan wi am Yenen Gatché depuis 2012 tey on a assisté à un simulacre de justice on a assisté à une parodie de justice li am tay day firndeel li ñu yag xex muy kumba am ndey ak kumba amul ndey di am ci Sénégal ci fan yu bëri rawatina ci yoon rawatina ci justice bo andé ak Macky Sall dara du la dal lo munti def dara du la si fekk waye bo nekké ko xamné day défendre njëriñu askanu Sénégal et de manière intransigeante te loolu moi marque de fabrique ki nga xam ne moom monsieur le maire député monsieur le député maire Barthélémy Diaz eh bien Bouboba, euh, justice de la tombali Bouboba, gendarmerie de la tombali Bouboba, boobaa euh, dinañ def pour nga bañ a maire Bouboba, même bon nekkee maire ñu continuer euh, de la buntu xatal lu ëpp juróom fukki nit bokk ci sa cabinet ak ñoom seen ñu bloqué seen salaire Li, mooy

fii rek ci koñ bi waaw tu as l'impression que gendarme yu nekk Sénégal yëpp ñu autour de la maison ñu ngi ci biir quartier bi ku yeewu tey ce matin gis réew ni mu tëddee ak gendarme yi ni ñu nekkee ci mbedd bi waroon nga comprendre ne li nga xam ne mooy décision bi na doon parce que personne n'a fait un appel à la mobilisation Nous, dul les député yi nañu ànd ak ki nga C'est ne mooy natango monsieur le député maire Barthélémy donc on s'attendait un peu à cette décision euh, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes tout de même choqués. nous sommes tout de même choqués, comme nous sommes à chaque fois que nous constatons que le droit n'est pas dit. Comme nous constatons à chaque fois que euh, le président Macky Sall manipulé manipulé manipulé exécutif que manipuler législatif qui manipuler euh, le judiciaire combat nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité mais sans réserve totale à notre camarade, à notre frère, à notre mère, à notre député, euh, Barthélémy Diaz. Et la lutte va continuer. La lutte va continuer parce que vous faites que nous avons eh bien, le président Macky Sall, qu'il sache qu'il est en train de se foutre le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. La lutte va continuer. Barthélémy Diaz va rester debout. Barthélémy Diaz vaincra la lutte va continuer, les patriotes vont rester debout, les patriotes vont se battre, les patriotes euh, vaincront. Euh, comme Nico noir Don ça fait dix ans que nous résistons, ça fait dix ans que nous nous battons, ça fait dix ans que nous, que nous faisons face. Depuis quelques mois, le rapport de force a changé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons flancher, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons lever le drapeau blanc. La lutte va continuer jusqu'à ce que ce pays la change, ce continent la change, la justice change. Voilà. L'exécutif change, l'Assemblée nationale va changer. Et ça sera par la force, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc que tout le monde reste mobilisé. Que tout le monde reste mobilisé parce que oui, nous sommes les premiers boucliers de Bartholomew. Gaz. Nous sommes les premiers boucliers de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour un autre Sénégal dans une autre que Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable.